projet boo xam ne dañuy jëmbatu garab rek di dem projet boo xam ne dañuy war a eh, tabax tabax ak waa population bi loo xam ne dina leen mën a dina ci mën a dund dundal si seen seen seen i njaboot ba eh, ba ba ba loolu yëpp en tout parce que changement climatique dafa doon loo xam eh, du jëmbatu garab rek mooy mooy mooy tax ba changement climatique arrêté déedéet

ci la bok donc comme que loolu yëpp ci la bok dañu wara a euh, suñu biir loolu loolu ambassadeur comprendre parce que Grande Muraille Verte tamit ci aspect sécurité amna ci solo parce que si Sahel lañu nek Sahel dafa am insécurité bu bari donc euh, buñu amul sécurité duñu mëna dund num ñu nexé donc loolu tamit euh, bok na ci rôle Grande Muraille Verte fexé ba ñu fa dund ñu mëna am ñu mëna am dundin bu rafet ñu mëna am tamit dëkk bu naat parce que dëkk bu naat moom mooy moom donc euh, me comprendre que nous avons na euh, continuer à parce que nous ngi avec France Volontaire nous, ngi avec club UNESCO nous, euh, SOS Sahel nous, organisation par exemple le mairie d'Angers nous, ngi avec nous, nous, nous nous, toolu kër boo gisee toolu kër Linguère yeeg euh, yow loolu yëpp euh, mairie d'Angers moo moo moo ñu jàppale euh, ñu ngi liggéey ak université d'Istom nga xam ne benn université boo xam ne dañuy yónni seen étudiants ñëw fii Sénégal di jàng ci ci fu ñu nekk ñun tamit dañuy yónni suñuy suñuy suñuy suñuy gune temps yi di ñëw sax dafa am ay gune yu war a dem yu war a jógee gune xëyu ndaw yi yu war a jóge fii dem dem France dem jàngi yi dem euh, échanger ay stage ay formation tamit euh, pour utiliser Comme vous le savez, l'environnement et le climat sont une des priorités de la, de la politique étrangère de la France. Et ici au Sénégal, euh, nous sommes particulièrement fiers de ce partenariat que nous avons avec vous, de cette co-construction, comme vous le dites, que nous avons mis en place et qui nous permet de traiter des sujets cruciaux pour l'avenir de nos populations respectives, puisque les, la crise climatique et environnementale touche tous les pays du monde. Et donc nous sommes tous des actionnaires de cette planète et nous n'avons pas une deuxième planète. Il n'y a pas de planète B. Donc nous devons faire au mieux pour que celle-ci nous soutienne et, euh, le plus longtemps possible. Donc euh, s'agissant euh, de la Grande Muraille Verte et de la reforestation, vous avez très éloquemment détailler tous les défis auxquels nous faisons face en commun euh, pour euh, que les populations qui subissent la désertification soient capables de tirer du nouveau modèle économique que nous souhaitons mettre en place un revenu qui rend cette action durable. Et donc, euh, je serais ravie de venir avec vous visiter vos communautés, voir les choses que nous, que nous faisons ensemble. Ce qui se passe au Sénégal a un impact sur ce qui se passe en France, ce qui se passe en France a un impact sur ce qui se passe au Sénégal. Nous sommes indémitablement liés dans, cette, dans cet enjeu, dans ce défi, et nous ne pouvons pas considérer que ce sont des sujets séparés, mais bien communs, euh, au service de notre planète. Donc euh, nous espérons qu'à la COP28, tous les efforts qu'ont fait le Sénégal vis-à-vis du JETPI et ce, ce programme extrêmement novateur que nous avons co-construit, sera mis à l'honneur euh, et que vos initiatives seront euh, portées, feront école et seront portées au plus haut niveau.